deux continents dépendent de ces jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. Et l'avenir, c'est par la jeunesse. Chers jeunes du Sénégal, nous, jeunesse du MSC, on veut être pragmatiques dans la masse de une citoyenneté engagée et patriotique pour un vrai changement au bénéfice de la société sénégalaise et de la gouvernance publique. Ce mouvement n'est pas né par l'initiateur d'un millionnaire, ni milliardaire, ni ministre ou DG, e, ni homme d'affaires qui cherchent à garder un poste ou avantage juteux. Il est mis en place par un engagement exclusif à contribuer à l'événement de la République. Donc, aspire expressément les Sénégalais. Sur ce, J'en profite pour remercier le président le fondateur du mouvement RSI, e, qui est le président pour son engagement et sa détermination avec ce mouvement qui prône pour la citoyenneté. Nous faisons un appel à la révolution, mais pas à la révolte. Une construction, mais pas une destruction. Mais il est nécessaire, important de nous poser la question suivante. Est-ce que les Sénégalais sont prêts pour le changement réclamé Encore, cause répète la question. Est-ce que les Sénégalais sont prêts pour le changement réclamé Une gouvernance démocratique et intègre, une citoyenneté responsable et solidaire, une justice sociale et économique effective. Nous répondons par l'affirmative, car en se référant seulement à la vie Sénégalais, pendant ces trois décennies, le peuple a bien indiqué ses ambitions pour la République. Il ne reste juste l'engagement et le courage d'une vision lui uniquement pour la patrie, avant les intérêts du parti politique, d'un groupe et ou de la famille. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le président, la non-candidature du président sortant est un défi pour les Sénégalais. Par rapport à, la capacité, leur capacité d'élire un président et non sanctionner un président de choisir librement, un président de par son programme et non par les de banques et autres banques de corruption. Pour moi, le Sénégal, Nous

Je na ci engagement nous proposons pour que le prénage des principes et programmes du MSC par les Sénégalais soit matérialisé par une contribution de 100 francs CFA à transférer par service électronique à un numéro de téléphone dédié à cet effet. Ça doit commencer dès demain à 8h00 Je dee la ñuy bu dee changement bu ñuy wootee ñu gis ñun il est temps ñu def loolu noonu parce que soo ne man Babacar Mamadou mii ak keneen ak keneen war naa mën a am lépp li nga xam ne doomu ministre wala li am naa parce que tey jii su ma feebaree hôpital Fatick laay dem ñu faj ma. pourquoi pas doomu Macky Sall su feebaree doomu keneen feneen ak feneen lay fay loolu dafa war a jeex égalité dafa war a am parce que Sénégal bi ñoo ko bokk amul doomu diw doomu diw. parce que Macky Sall tey su toogee ba jël bay jël ñoo tax parce ñoo ko fal keneen falu ko ñoo ko kon nag suñ bëggee yenn yi dakk rek dafay dakk surtout bi ñoom laay gën a waxal ñu leen gën a taxaw war gën a engagé war gën a boole war gën a suuli war su ko defee rek lépp lu ñu bëgg rek dañuy yomb incha allah léegi bu ñu ko le nombre de parrains mis à jour sera communiqué à travers les comptes de réseaux sociaux du MSC. Ce prénat des principes et programmes du MSC devait induire la suite pour le prénat citoyen, la caution à l'élection présidentielle de 2024. Cette traçabilité et transparence de la seule et unique source de financement de la participation du MSC à l'élection présidentielle seront historiques et particulières jamais vues au Sénégal une légitimité qui donnera une légalité sans contestation. Le MRC s'engage ainsi à relever tous ces défis de la gouvernance au Sénégal par son approche qui s'inspire du patriotisme pur et de la démocratie. De la démocratie. Je vous remercie. Nous allons devoir démarrer le lancement du mouvement pour la révolution citoyenne initié par euh, le frère euh, Didiak Faye et ses collaborateurs euh, pour voilà avant de décliner le programme comme ni vraiment nous allons rapidement donner la parole à un imam pour qu'il fasse la prière. Quelle est la personne la plus indiquée ici hein? Voilà, Imam Khan. Voilà, waouh, waouh, Imam nee nous euh, talal suñu loxo. bokku def Fala bienvenue. un euh, mot de remerciement par euh, Baba Karnian. Ensuite, on passera à la déclaration de principe et du programme. Et euh, en troisième euh, position, nous allons donc euh, donner la parole au public, à savoir la contribution des experts, et nous allons ensuite ouvrir le débat avant de terminer par la synthèse. nous allons faire une brève synthèse des différentes interventions pour ensuite clôturer le avec la presse pour ensuite clôturer la soirée. Voilà, donc sans tarder, nous allons donner la parole à Baba Carnian. Monsieur Baba Carnian. Euh, bonsoir, chers militants et militantes. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue parmi nous. Euh, maa ngi leen di connaît kenn ku nekk ci turam ak santam di leen de yéen ñëpp kilifa yi fi ak yeen ñeneen ci dess ñep ñu ngi leen di nuyu di leen sant te di leen jaajëfal ci seen teew tay duñ nuyo te du nuyu wa Ngéejeen ñu ngi fi toog waa Mbirkilaan wa Usel wa waa so wa Ndiop wa fatik fa lañ waroon a commencé wa jilas wa Tiwaawoon tamit ñu ngi fi amical wa Tiwaawoon wa Diourbel aussi euh, ñu ngi nuyu ñëpp daal di leen souhaiter encore la bienvenue merci Merci d'avoir souhaité la bienvenue à tout ce euh, beau monde. Euh, maintenant, nous allons euh, passer donc la parole à Didier Faye, mais au préalable, il, il, va falloir que nous connaissions qui est Didier Faye. Didier Faye, je ne vais pas donc vous présenter son cursus élémentaire, moins et secondaire, mais après avoir obtenu le bac scientifique, euh, Didiac va intégrer les cadres de bureau de Bambay pour y sortir comme ingénieur des travaux agricoles. Mais il ne va pas croiser ses bras après l'obtention de ce diplôme. M. Didiac Faye va obtenir à l'École nationale d'économie appliquée son troisième cycle en aménagement, développement territorial et décentralisation. On pensait que Guidiac allait se limiter à ce cursus. Il va euh, intégrer rapidement l'université chez Diop où il va obtenir son master en agroforesterie, écologie et adaptation. Euh, sans oublier que Guidiac a a fait un bref passage à l'université chez Anta avant même d'intégrer les cadres de Bambay où il a obtenu son dieu en mathématiques et physique et ensuite, que euh, a aussi beaucoup de certificats en gestion de projets et développement durable. Par rapport au cursus professionnel, 26 euh, ans en développement local et décentralisation, développement rural et agriculture, gestion des projets de développement. Euh, en cursus, par rapport à son cursus politique, nous connaissons Didier comme faisant partie des fossiles, des jeunes fossiles du, euh, PDS, parce qu'étant membre du PDS depuis 1993, pour dire que euh, il est militant du parti il y a de depuis 30 ans. Donc il est euh, militant du parti. Dans ce parti, tour à tour, il était membre du BEL, du Bureau exécutif national, de l'IJDL, où il était le secrétaire national des affaires intérieures de l'IJDL. Euh, Didiak Faye était, euh, pour ceux qui viennent de Nyob et de Yahao, ou du département de Fatik en général, la région de Fatik que dis-je, euh, a été toujours secrétaire général euh, de, la section Nyob, mais aussi coordonnateur départemental et régional de la jeunesse libérale de Fatik, membre du cabinet du Premier ministre euh, en 2000. Euh, en 2004. Euh, voilà, c'est celui-là euh, à qui on va donner la parole pour qu'il puisse nous faire donc la déclaration des principes et la présentation de son programme. Merci. Merci beaucoup, inspecteur Ndiaye. Assalamu alaikum wa wa Sénégal. ñi nekk ci biti réew ñi nekk ci biir réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu particulièrement le Sine Saloum la région de Fatick mais yéen yi nga xam ne yéen a teew tey te madame Sira Fofana département région victorienne, yëpp Saint-Louis Kaulac, Café, Dakar Bambey mais du premier aussi les communes du département de fatigue, particulièrement l'arrondissement de Fimla, est délégation bi taxu bi des grandes communes d'Ilas, u communes commune mais surtout commune de Fimla, di nuyu suñu à bu la Alaaji

waaw bokk ak seen teewaay ndax woote ñu wuy la dafa nekk te ci nawet lañu nekk dimanche lañu nekk ngeen waroon a reposer bu dee fonctionnaire yi ngeen waroon a dem tool mais ngeen bàyyi seen lépp ñëw pour déglu kon yéen ñëpp ñu ngi di sant bu baax a baax di sant aussi mbokk yi toute ma famille et surtout sa largeur man man leen di sant bu baax a baax muy euh, samay frère Je samay jabar Merci beaucoup, Madame Fay qui m'a accompagné ici présente ci sa conseil yu baax ba bii mouvement taxaw tey euh, ni ko inspecteur Ndiaye présenté dañoo fas taxawal benn mouvement bu ñu duppee mouvement pour la révolution citoyenne mouvement boobu nag li ma bëgg a lire ci nasaraan mooy taxawaayam

à ak Sénégal li ñu xalaat ne mooy yoon bu gëna jup Sénégal jëm kanam mouvement pour la révolution citoyenne déclaration de